Éducation sur SIM TV. Santé sur SIM TV. L'actualité sur SIM TV. Politique sur SIM TV. Sport sur SIM TV. Religion sur SIM TV. Culture sur SIM TV. C'est un qui SIM TV. quatre. La première stratégie d'engouement, c'est la formation systématique en psychologie génétique. Ça veut dire la psychologie de l'enfance pour une meilleure connaissance des tout petits. Vous avez une personne de ressources, en l'occurrence Papa Gagne. Je sais qu'il peut dérouler un module de formation en psychologie génétique pour permettre à chaque éducatrice, à chaque éducateur de mieux connaître cet enfant-là d'âge préscolaire. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas autour de lui enrayer le phénomène. Ça va être très compliqué bala nga naan naam fay nek te so bëggee gunge nit da ngay xam la deuxième stratégie que nous avons pointée c'est le renforcement de capacité des éducatrices et éducateurs du préscolaire en intelligence socio-émotionnelle loolu dafa xew te dafa am solo gis ngeen aduna euh, ka nit ki su ubbeekuwul s'il n'est pas entouré d'affection ardente de chaleur humaine c'est très difficile pour qu'il soit un homme intelligent des fois dañuy jàpp ne dafa muus rek mais dañ ko ko jiiñ ñekk ko te am na ñoo ne xel parce que il est bon d'être intelligent mais il est bon aussi d'être assis dans les valeurs positives qui vont te permettre de bien brider cette intelligence-là et de l'orienter à bon escient donc il serait bon la en termes de stratégie d'endiguement de faire un renforcement de capacité des éducatrices et éducateurs du préscolaire en intelligence socio-émotionnelle comment on peut participer à éclore l'intelligence socio-émotionnelle de nos enfants la troisième stratégie d'endiguement, c'est la revalorisation des modalités d'accueil quotidien et de revoir des enfants. y a des écoles yoo xam éducateurs yi ak éducateurs yi dañuy les ba xale bi da rek classe or tout petit da nga koy gàttandu da koy taatagal da koy valoriser da mettre en confiance avant qu'il n'entre à l'école il faudrait qu'on définisse ensemble de nouvelles modalités d'accueil mais aussi donc on envie de revenir le prochain jour donc là aussi on va y réfléchir il y a des techniques avec Pernet il y a des techniques avec Pernet qu'on peut partager pour que les enseignantes les éducatrices de fatigue et les éducateurs de fatigue puissent être outillés et puissent inventer de nouvelles modalités d'accueil et de revoir avec les tout-petits la dernière stratégie d'endiguement c'est la reconsidération des activités festives et des journées de solidarité en classe L'enfant est un être normalement joyeux. Tout doit être fait, tout doit être la célébration du bonheur. Que ça soit en classe, que ça soit à l'école, c'est pourquoi il nous faudrait reconsidérer ces activités de fête à l'échelle de la classe, à l'échelle de l'école, des journées de solidarité de classe qui vont permettre aux enfants d'accélérer le processus de leur socialisation. Donc voilà, messieurs et dames, quatre stratégies d'alignement que j'ai voulu proposer à votre grand groupe en espérant qu'on pourrait changer, on pourrait euh, traduire chacune de ces stratégies en plan d'action et rechercher des financements, des formations, des recapacitations, des renforcements de capacités. Cela va nous permettre d'être mieux à même de gérer ces enfants-là et d'enrayer le phénomène de la violence. Maintenant, vous vous attendez à ce que je fasse une grande conclusion, j'en ferai une toute petite parce que je ne voudrais pas conclure. Je dirais tout simplement que l'école est une institution sociale qui ne vit pas en marge des phénomènes qui marquent la société Le plus loin wax ci société bi avons nga ko xaaree ko su ñuy wax dafa dëkk bi dafa may sàcc ci école bi xale yi que nous avons biir et il faut corriger su la société est violente nous avons deful qu'il y aura de la violence à l'école et il nous faut prendre nos responsabilités si vous allez dans les pays développés le plus loin ne la bu communauté bi am ci société bi dañuy joxoñ baram école parce que danaan école rek la donc les véritables solutions doivent émerger à partir de l'école et je pense qu'il serait bon que vous en soyez informés. Donc naturellement, des heures et des différents vont apparaître, mais doivent y trouver des solutions appropriées. S'il en est ainsi, la structure préscolaire qui vit parfois des scènes de violence à son échelle doit développer des stratégies pour les prévenir et, excusez-moi, et les endiguer. Ceci ne sera pas possible, ne sera possible que suite à une bonne compréhension du phénomène, de ses causes et de ses manifestations. Au préscolaire, disons-le encore, l'application de ces considérations, la mise en place des trouvailles et recettes concourent à l'apprentissage du vivre ensemble, de la démocratie et participe d'une citoyenneté véritablement active à l'échelle de la petite enfance. L'école doit préparer les enfants à vivre dans une société basée sur un contrat social qui vise à rendre compatibles les libertés individuelles et l'organisation sociale en tant que telle.

seen àq ak seen yelleef toppatoo leen yiir leen amicale boobu tey juddu na am na at ñu ngi ciy def lu bëri euh, ñu ngi former suñu bopp ci CODPE e bi ñu ngi def ay euh, randonnée pédestre def nañ fi euh, numu mu tuddati journée caravane ci Mardi Gras wër dëkk bi pour que ñu mën a yëg petite enfance parce que mooy fondement bâtiment bi waruñu négliger petite enfance ndax euh, mooy base bi vraiment loolu moo tax ñu bëgg mu dund ñu ñu ñu nekk ci amicale boobu di góor góorlu di yëngu ci loo xam ne dina jëmale petite enfance ci kanam ñuy ñaan nag autorité yi ñu gën ci jàpp jàpp nañ ci gaa mais bu ñu gënee jàpp dina nek lo xamné dina jëmale petite enfance ci kanam parce que sen alimentation buñu ko mëné enrichir au niveau école saytu sen wergu yaram sart saytu li ñuy lekk te ñu def xam-xam bi ñuy séntu ci ñom encore ci condition ci anam yu mu euh, gëna baxé manam ñu accompagner ñu ci li xalé bi soxla pour ñu mëna a développer lolu ci mom mu nekk aire de jeu yi li muy ce li muy le matériel didactique ak lépp lu ñu soxla ci école bi. Mame Fatou Ndiaye honorable député euh, à l'Assemblée nationale pour le département de Fatick. Je dañ ma choisir en tant que yaay en tant que femme parce que ñoom dañ seen journée bi dañ ko def mu coïncider ak 8 mars Nous ñoom ñu ne choix yooyu lañ femme là.

waaw pourquoi pas parce que man fi ma dëkk Fatick gis naa ne ñaari école ñoo fa am cantine scolaire te bëgg naa école yëpp am cantine scolaire ci la ci la sama xel ñëw bi may yéegee ma ne ministre bi Djiné Maimouna bi ñuy wax est-ce que du phénomène xiif xiif bi moo tax xale dañuy xiif jóge ci àll bi ñëw xiif ñuy crise di daanu moo tax ñu ne ay jinne Djiné Maimouna la ministre bi daal di ma rey mais bi pare paree daf ma woo mu ne ah madame li nga wax dinañ ko analyser mun na ne deug la mais man ko man dal bëgg na cantine scolaire ngeen yok ko parce que xalé yi légui dañoo bëri ci école bi te te te dañuy joggé ci fu di jang si te amuñ luñu lek lool dal motax dal cantine scolaire bi euh assemblée nationale mom ma ngi ci bu baaxa baaxa baax intégré wu na ci groupe boobu. ay Mamadou Diodje ndjay représenté ci DG Maïssa Mayakor. waaw li ma ci mëna wax moy ñun sant leen di gëreum parce que ñoy suñu yaay deug deug neex yalla góor gu ne war nga saay soo xëyee rek nga sant sa soxna parce que soxna si mooy doon yaay doom tey bu ma ñëwee nag fekk fi honorable député ci bës bi damay jàpp ne waruma cee mën a wax moom dama man dama représenter ci DG xaritam mais damay nekk ci ginnaawam pour moom mu bott ko parce que seen bés la mais li ma ci mën a wax mooy sant nañ leen gërëm leen di leen wax ne jaajëf amuñu seen fay parce que ñooy sunu yaay. éducation sur Sine TV santé sur l'actualité sur Sim TV. Politique sur Sim TV. Sport sur Sim TV. Religion sur Sim TV. Culture sur Sim TV. C'est écrit par Sim TV.